Maman Bachir, 17 ans. Cinquième e fata. Oh, zaigo zaigo Ah, neka. Mon nom est eh, eh, Maman Bachir Moussa. Je suis âgé de 17 ans. Je suivais mes oncles au marché de Katakou depuis que j'étais en classe de CM1. Et après, je me suis intéressé au métier de convoyeur. J'ai laissé tomber l'école en classe de 5e. Personnellement, je n'ai pas de problème avec mon patron, mais avec les clients, ça ne manquait pas. Nos prix sont de 100 francs pour les grands et 50 francs pour les petits. Par jour, j'arrive à gagner 1500 et grâce à mes économies, je suis bien à mes besoins et à ceux de ma mère. Reprise.